site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top plus lu jëm ci walu actualité sin TV nek fichier ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal sin TV joko Aujourd'hui, c'est une rencontre qui concerne l'association des adjoints maires du département de Fatigue. Nous étions en train de discuter sur la vie de l'association globalement, évoquer quelques informations concernant cette association et des activités que nous avons pu mener au niveau national, mais aussi à l'échelle du département. Elle concerne donc les adjoints au maire du département de Fatigue, avec les 17 collectivités territoriales concernées par ce département-là donc, nous sommes en train de discuter de la vie de l'association. Qu'est-ce qui a été mené comme activité depuis sa création Il faut dire que c'est une association qui regroupe 58 membres. Ils sont tous adjoints au maire dans les différentes communes. On s'est réunis pour pouvoir discuter de notre situation, notre nos conditions de travail, du rôle que nous pouvons aussi mener dans nos différentes collectivités pour une émergence de euh, notre territoire qui est le département. Et donc sur cela, nous avons aussi réfléchi sur le statut même de, l'adjoint au maire. Et nous voulons exprimer notre profonde gratitude à l'endroit des autorités de ce pays. Le président de la République, le Premier ministre, ainsi que le ministre des collectivités territoriales. Il y a eu un combat que nous avions engagé avec eux, des négociations, qui a abouti quand même à un résultat, il faut le dire, qui est quand même louable. Ce résultat, c'est qu'on a pu avoir une augmentation des indemnités des adjoints au maire à l'échelle nationale. Fatigue étant un de ces départements-là, euh, nous tous, nous allons bénéficier de cette augmentation à hauteur de 150 000 francs par mois. Après les avoir remerciés, nous voulons aussi lancer un appel pour pouvoir améliorer davantage puisque c'est 150 000 reçus qui doivent, être, reçus, mais qui sont pour l'instant logés dans les fonds propres des communes. Et nous savons aujourd'hui que nos collectivités territoriales peinent quand même à recourir les fonds propres pour pouvoir fonctionner correctement. Du coup, ce sera des difficultés auxquelles nous allons faire face pour ce qui concerne ces indemnités-là. Et nous voulons lancer un appel dans ce sens pour que l'on puisse prendre cela en charge dans les fonds de dotation, à l'image de ce qui est fait pour nos autorités que sont les maires du Sénégal. Le niveau de recouvrement est très faible, les niches existent peu et les gens ont véritablement toute la peine pour pouvoir recouvrir tout cela. Et c'est une des difficultés majeures à laquelle on va faire face pour l'indemnité des adjoints. Et nous savons que ce sont des gens qui ne cesse de travailler sur le terrain, bien sûr en collaboration parfaite avec les maires qui sont nos autorités. Et on voudrait à ce niveau d'ailleurs lever un coin du voile, puisque très souvent certains pensent qu'il y a des dualités. Il n'y a pas de dualité entre nous et les maires. Les maires, les autorités sont véritablement nos maires, et nous, nous collaborons avec eux, nous travaillons dans la sincérité, dans la franchise, mais pour le bien de nos populations. Et qu'on serait bien qu'on puisse véritablement prendre en charge cette question au niveau central. Je ne parle même pas des adjoints, mais vous savez que nos collectivités ont, peine, ont de la peine effectivement à faire le travail convenablement en termes de logistique. Heureusement que dans les négociations qui sont véritablement sorties en cours et qui, sont déjà finalisées, l'État a autorisé les maires, à, les mairies à pouvoir acquérir une logistique, ne serait-ce qu'un véhicule, pour pouvoir fonctionner correctement. Et ça, nous en remercions vivement nos autorités. Et nous pensons qu'il y a lieu encore de prendre en charge cette question pour permettre aux adjoints, surtout qui sont les pratiques techniques des maires et des mairies, pour pouvoir véritablement travailler davantage dans les meilleures conditions avec la logistique qu'il faut. Et là, c'est le bien des collectivités en tant que telles. Nous dañu tase ñu des adjoints maires maires du département de Fatik. Nous tase pour waxtaan xool euh, suñu dundu association nan la nekkee mais surtout pour faire le bilan par rapport à l'activité que nous depuis lors si ce la comme comme nous nous nañu waxtaan bilan Ce bilan bi ñu si euh, le président de la République euh, le premier ministre le ministre de tutelle des collectivités territoriales vraiment am avons fait satisfaction mooy augmentation indemnité yoo xam ne doon nañ ko kaas pour ñu jàppale bu baax adjoint au maire yi puisque li ñu doon jot si payoor dafa ndawoon de telle sorte que ñemoo ko sax wax boo génnee ba gis nañ ñu ñu ngi suñu tutelle ñu nekk seen kilifa ñu luy wooyee monsieur le maire waaye ñemoo wax li nga doon jot te loolu li ngay jot nekkul pour yow sax da nga koy investir si population que population yi moo tax nga nekk foofu ñu doon waxtaan nag pour que euh, loolu sotti heureusement que autorités yi dégg déggal ñu bi am lu ñu yokk la ñu leen di gërëm bu baax si jéego yooyu nga xam ne lu am solo la waaye nag ñu ngi continuer aussi di ñaanaat di waxtaan ak ñoom puisque fi ñu dugal suñu payor boobu suñu indemnité yooyu muy ay fonds propres waxee fonds mooy commune bi lu moomal boppam te gis nañ ne suñu communes yi jafe-jafe yu rëy la ñuy am puisque amuñu xaalis amul foo mën a jëlee xaalis nit ñi dañu sonn de telle sorte que buñ ko bëggee loger foofu rek dina am jafe-jafe puisque dina am ay retard de salaire yoo xam ne day am si adjoint yi dafay am ay indemnité yoo xam ne da koy wax nii waaye doo ko jot loolu mu doon mu doon lu métti liñ bëgg may ñu loger ko si fonds de dotation noonu lañ defal suñu kilifa yi mooy maire yi te boo waxee maire wax adjoint ñëpp ay maire lañ ñoom ñoo former le bureau municipal donc bëgg nañu véritablement état dugal ko ci fonds de dotation nga xam ne dafay gën a yombal mbir mi mën nañu gën a yombal aussi liggéey bi nga xam ne adjoint yi ñu ngi koy def puisque maire yi suñ fi nekkul ñun lañuy jox pour euh, délé seen délégation ñu mën a liggéey pour le bien de nos population tout en sachant que damay insister ci foofu puisque ñu bëri dañu yaakaar ne payeur bi ñuy jot noonu pour ñun la te yow boo nekkee adjoint au nekk sa bureau nekk sa ci ba population yi dañuy ñëw soxla yi da koy faj. dañ lay sollicité te nga war joxe am lu bëri loo xam ne da koy def si population donc si ñu ñëpp koy ñu ñëpp koy bokk moo tax ñu bëggoon véritablement état bi def na ay jéego yu am solo yoo xam ne vraiment c'est historique on la remercie mais bëgg nañu ñu sécuriser mbir moomu mooy loger ko dans les fonds de dotation. seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick indi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll.